forum du studio le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou Voilà, Studio Kalangou, il est 18h15 C'est l'heure du forum au micro Hamadou Momoni. Bonsoir à tous et à toutes. Studio Kalangou, nos programmes sont diffusés à Niamey et relayés à travers le réseau des radios partenaires dans l'ensemble des chefs-lieux des régions. Vous pouvez aussi nous suivre dans les localités d'Arlit, Filengue, Gaure, Chirozérine, Magaria, Tamaske, Bouza, Dolbel et Saï ce vendredi 9 septembre, nous irons d'abord à Agadez, Agadez qui a enregistré cette année d'énormes dégâts matériels suite aux inondations causées par les fortes pluies. Il y a eu des bonnes volontés qui se sont manifestées pour venir en aide aux victimes. Le secrétaire permanent régional du dispositif national de prévention et gestion de catastrophes et crises alimentaires nous fera le point sur les dons reçus. Après, ce sera Tilaberi pour faire le point sur la campagne agricole, une campagne avec certes des difficultés dans certaines localités, mais qui peut être bonne si les tendances actuelles des pluviométries se maintiennent jusqu'en fin septembre. El Haj Zakria Oseidou, le directeur régional de l'agriculture de Tilaberi, nous donnera plus d'explications. Nous allons parler aussi de rentrée scolaire avec les élèves du lycée qui reprennent les cours le 15 septembre prochain pour la rentrée académique 2016-2017. Une rentrée qui peut être fortement perturbée à en croire le secrétaire général du syndicat national des enseignants du secondaire. Cheib Dambaji explique que beaucoup de préoccupations des enseignants n'ont pas été prises en compte par le gouvernement. Enfin, du sport, 15e jeu paralympique, les compétitions ont débuté hier, le Nigeria est représenté, le chef de la délégation paralympique et l'entraîneur national nous diront dans quel état d'esprit se trouvent les deux représentants du Niger et quand est-ce qu'ils joueront. Aruna Ousmane et Aboubakar Moussa ont été joints hier matin. Oui, la région d'Agadez a enregistré cette année d'énormes dégâts matériels suite aux inondations qui ont été causées par les fortes pluies. Les bonnes volontés se sont manifestées par la suite pour venir en aide aux victimes de ces inondations. Alors quel est le bilan que l'on peut faire des dons réceptionnés jusque-là C'est l'une des questions que notre correspondant à Agadez a posée au secrétaire permanent régional du dispositif national de prévention et gestion de catastrophes et crises alimentaires au titre de la région d'Agadez. chez vous, au micro de Mousse Maman. Je voudrais quand même euh, faire un petit rappel pour dire, euh, annoncer que les premières inondations à euh, dans la région d'Agadez sont intervenues au mois de juin. pour dire que déjà c'était une situation particulière, exceptionnelle. La première commune qui a été concernée, c'est celle d'Ingal. Après, ça s'est poursuivi dans les autres, ça s'est étendu dans les autres communes, particulièrement Iférouane à Sanat, Tirozérine, Tabaga, Agadez commune, et Gougaram, et récemment dans la commune de Durkou, département de Bilma. Ce qu'on peut notifier, c'est vrai, cette année, nous avons, euh, à travers euh, ces inondations, enregistré des pertes en vie humaine. Nous avons enregistré des blessés graves. Nous avons enregistré des pertes importantes sur le cheptel, euh, tout ce qui est chaîne de production agricole, les habitats, etc., euh, etc. À mi-parcours, nous avons enregistré euh, les réactions des bonnes volontés, que d'ailleurs je profite euh, de votre micro pour le remercier très sincèrement. Et donc, ils étaient nombreux hein, à apporter leur contribution. Les premières qu'on a enregistrées, qu'on a en tout cas reçues, ont concerné la commune d'Ingal. Il faut peut-être noter les premiers qui étaient sur le site du CNES, c'est d'abord le sultan, l'honorable sultan de l'Aïr, euh, le gouverneur de la région d'Agadez, avec pratiquement l'ensemble des acteurs <clears throat> qui ont apporté un soutien moral et également un soutien symbolique euh, en termes euh, numéraires. Après, euh, à Ingal toujours, nous avons reçu l'aide de l'État, des partenaires et même les ressortissants les ressortissants de d'Ingal qui n'étaient pas restés, eh, en tout cas, eh, sous silence. Globalement, pour la région d'Agadez, en dehors de ce petit détail que je venais de vous annoncer, nous avons, euh, au niveau d'Ingal, euh, réceptionné eh, tout appui euh, confondu enregistré euh, en tout cas réceptionné 231 tonnes de vivres. 231 euh, tonnes de vivres avec euh, évidemment l'appui de l'État, l'appui des, des ONG, l'appui des ressortissants, Tatalin Iali, etc. pour ne citer que cela. Indépendamment de, l'assistance en vivres, Ingel a réceptionné aussi une tonne de dates et plus 69 cartons, 976 bidons d'huile de 5 litres et un appui financier de 8 140 000 francs, Donc, euh, en tout cas 6 euh, millions et quelques ont été euh, la donation faite par les ressortissants. Il y a eu également euh, des appuis en, huile en kit non alimentaire. Par rapport au kits non alimentaires, je notifie que un partenaire a offert 644 kits non alimentaires. Et ces kits non alimentaires, euh, un kit est composé de nattes, de couvertures, <clears throat> de moustiquaires, etc., etc. pendant que nous étions en train de euh, de réceptionner des vivres pour Ingala, euh, de les distribuer, de superviser, euh, en tout cas ces, ces distributions-là, d'autres inondations sont venues s'ajouter c'est particulièrement des inondations, en tout cas de grande ampleur, euh, dont euh, en tout cas l'ampleur a varié de 70 à 100 quand vous prenez les vallées de, de Bogol, Tegazer et Sarsegan. Ça, et, même euh, dans certaines poches sur la vallée de, de Télois. Là, les exploitants ont perdu 100%, en tout cas, leurs moyens d'existence euh, en termes de production maraîchère. Ils ont, certains ont même du mal à localiser euh, leur infrastructure hydraulique. Et euh, aussitôt, l'État a intervenu à travers un certain nombre de tonnages aussi. un autre partenaire et la deuxième, sinon la énième que l'État a apportée pour ces localités concernées, à Dabaga, à Tirozérine, à Gadez commune, là nous avons euh, réceptionné 331 tonnes. Indépendamment de l'appui d'Ingal, les 331 tonnes, plus maintenant 331 dont 211 euh, en tout cas ont été euh, offertes par l'État. les 20 tonnes ont été offertes par la Sonichar. Maintenant, il y a eu une contribution financière de 200 000 euh, par le syndicat des agents de trésor. également, euh, avant-hier, euh, nous avons reçu une contribution symbolique aussi des parlementaires de 2 millions. Pour vous dire que déjà, ces vivres-là ont été placés au niveau de Tegazer, au niveau de Boal, au niveau d'Agadez, dont les, distributions sont même terminées. La mise en place est en cours pour le centre de distribution de Dabaga. À Azel, déjà, la distribution est déjà terminée. Pour du coup, nous venons juste euh, de recevoir les premiers chiffres que d'ailleurs nous avons partagé avec les honorables députés qui ont pu faire le déplacement dans la région d'Agadez et que euh, nous allons pouvoir partager aussi euh, avec le niveau national. Et euh, évidemment, faire le plaidoyer envers euh, l'endroit de l'État, à l'endroit des partenaires ou autres bonnes volontés pour que ces gens-là, en tout cas ces partenaires-là, l'État viennent en appui à ces sinistrés. Voilà, vous venez de suivre Idi Chebou du secrétariat permanent du dispositif national de prévention et gestion des catastrophes et crises alimentaires au titre de la région d'Agadez. et nous a fait le point sur les dons reçus à la suite des dégâts causés euh, par les fortes précipitations de cette année. La campagne agricole s'annonce bonne cette année dans la région de Tilaberi, comparativement en tout cas celle de l'année dernière. C'est ce que nous dit le directeur régional de l'agriculture de Tilaberi pour Elage Zakaria Oseidou, malgré quelques difficultés au niveau de certaines localités comme Filengue, Abala, Walam, Belayara, etc. Si les tendances actuelles de pluviométrie se maintiennent jusqu'en fin septembre, eh bien, on peut espérer une bonne campagne dans la région. Elage Zakaria Oseidou est interrogé par notre reporter Mokhtar Hamadou. La situation dans l'ensemble, elle est vraiment plus ou moins bonne bonne par rapport à la moyenne et bonne par rapport à l'année dernière parce que la situation à la date d'aujourd'hui nous donne beaucoup d'espoir. L'espoir, nous comparaisons, disons, on essaie de comparer par rapport aux différents stades d'arrêt de pluie. Dans nos estimations, il y a deux périodes d'arrêt de pluie. Il y a l'arrêt de pluie au 15 septembre et il y a l'arrêt de pluie au 30 septembre. Nous prenons les deux hypothèses. Dans la première hypothèse, je vais dire arrêt de pluie au 15 septembre, 62% de production sont estimées entre bonnes et moyennes. C'est ce que nous pensons, vu certains caprices de la campagne, nous pensons que c'est un exploit. Et dans la même situation, 13% sont estimés être vraiment nuls. Mais si nous avons l'arrêt de pluie au 30 septembre, là-bas, la production bonne et moyenne va évoluer à 87% et la production nulle, elle est de 3% et médiocre de 9%. Nul pourquoi Parce que nous avons constaté, compte tenu de certaines situations de sécheresse, des attaques de certains ennemis, notamment de Sotorio, et nous avons perdu dans 70 sept villages, totalement ou presque totalement nos semis. Notamment, nous avons 13 villages dans le département de Walam, 13 villages dans le département de Abala. Nous avons 22 villages à Bléara et nous avons 22 villages dans le département de Filingué. Donc, comme vous le constatez, malgré effectivement cette part de semis, c'est qu'il faut saluer, dans 44 villages, les gens ont essayé de faire un rattrapage avec euh, le semis à Niébé. C'est que d'ailleurs, c'était vraiment suite à nos conseils. Est-ce que ces villages-là sont considérés comme des villages à risque ou déficitaires Vous allez le constater. Les villages à risque, c'est pas seulement les 117 villages, mais il y a d'autres aussi que nous considérons à risque. Parce que quand on parle des villages à risque, ne sont pas forcément situation euh, des villages déficitaires. À risque, nous avons dans la région de Tilaberi, à la date d'aujourd'hui, plus de 700 villages, ou quand on parle de villages risque, ça veut dire ça demande un suivi rapproché pour qu'on puisse les basculer de leur situation de risque en situation et en de situation bonne. Comment par exemple Notamment quand vous prenez certains attaques, nous avons l'obligation d'assurer un traitement pour sauver les productions. Nous avons aussi certains conseils pratiques que nous donnons aux producteurs. En tout cas, nous pensons c'est un peu dans ce sens que c'est question de sport. Mais les 77 villages, nous les considérons à partir de la date d'aujourd'hui comme des situations dans la région de Tilaberi quelle que soit Alpha, en production de mil et sorgho, notamment le céréales, et leur production, à la date d'aujourd'hui, nous la prenons comme une situation nulle. Parce qu'ils l'ont perdu totalement. Et les 44 ils ont mis, ils ont mis du niébé. Et vous le savez très bien, dans nos pratiques, toute production qui n'est pas mil ou sorgho, en tout cas de l'esprit de nos producteurs, ils pensent que la production ne une bien Même quand vous prenez aujourd'hui la production du niébé, un sac de niébé, même à la récolte, peut vous permettre de trouver plus d'un sac de mil. C'est une question de pratique alimentaire. C'est un peu ça. Mais sinon, nous pensons, malgré la perte de semis dans les 17 villages, les 44, ce que nous appelons des possibilités d'ajustement. Ils se sont ajustés avec le Nibé. Maintenant, des choses, c'est dans la tête, hein. comme on le dit, l'essentiel n'est pas ce qu'on a fait d'un homme, mais plutôt ce qu'il a fait de ce qu'on a fait de lui. Même s'il y a cette disponibilité du Nibé, qui peut largement leur permettre d'acheter suffisamment du mille pour combler le considère dans leur tête que la production est mauvaise. Vous parlez là d'habitude alimentaire Oui, ça c'est vrai, c'est une question d'habitude alimentaire. Monsieur le directeur, nous avons constaté aussi faire Kwaria euh, Hausa, Farie, Sansan Hausa, et jusqu'au niveau de Kokomani, le mille est soit au stade de Montaison ou bien soit au stade de Est-ce que là-bas, il y a des raisons d'espérer? Oui, vous savez, c'est pourquoi je vous ai parlé de deux scénarios. Ces zones-là, notamment un peu une partie de Terra, une partie de Gauthier et une partie de Tilaberi, il y a eu une période de sécheresse où la situation était extrêmement critique. Ce dernier temps, il y a eu des reprises de pluie où nous avons enregistré 44 mm suivi de 26 mm pratiquement dans la même semaine. Ça nous a permis de sauver ce que vous avez vu. Un peu avant ces pluies, avant cette reprise, si vous passez dans ces zones, vous êtes, en tout cas, il n'y a aucune raison d'aspirer ce que vous avez vu aujourd'hui. Nous pensons si la pluie se maintient jusqu'au 30 septembre, et comme vous le savez, ça fait des années, nous nous sommes obligés de nous retenir ce que les, en les documents nous, autorisent à dire. Mais compte tenu du changement climatique, nous avons constaté généralement les pluies glissent jusqu'à de la première, voire la deuxième des quatre du mois d'octobre. Donc nous pensons même ces villages, il y a de l'espoir. Au niveau du gouvernement, oh, qu'est-ce qu'on peut faire pour faire face à des éventuelles crises alimentaires ou bien à des éventuelles zones déficitaires comme vous le savez, nous déjà, à partir de la première étape. La première étape pour nous, c'est la mise en place des préparatifs et l'encadrement de la campagne pluviale. À la date d'aujourd'hui, nous sommes déjà en phase d'élaboration de programmes de culture irriguée. Pour nous, par rapport à l'objectif de l'initiative 3 il n'y a pas de limite entre les cultures pluviales et les cultures irriguées. Pour nous, c'est la même chose. Déjà, la machine est en marche. Car nous passons, c'est pas, pour nous vraiment, rater une campagne pluviale n'est pas synonyme de fatalisme. L'essentiel, c'est de motiver la population, amener de l'eau, des semences et un peu d'encadrement pour qu'ils puissent produire un maraîchage pour rattraper ce qu'ils vont perdre en culture pluviale. Monsieur le directeur, vous voulez dire que sécheresse n'est pas synonyme de famine au Niger En tout cas, à la date d'aujourd'hui, tel que nous gérons les choses, personnellement, on peut perdre une campagne, ça ne veut pas dire qu'on a perdu, en tout cas, la possibilité de produire. Nous avons, et surtout la chance que nous avons, ici, nous sommes au bord du fleuve. Et pour la petite information, il y a des moments avec 0,25 hectares en culture irriguée, notamment la production des maraîchages et autres, vous pouvez faire ce que quelqu'un qui a même 4 à 5 hectares n'a pas pu faire. Je vous donne un petit exemple, c'est le pavron. Il y a des périodes où un seul de pavron va jusqu'à 110 000. Et vous voyez, quel que soit alpha, donc ça veut dire à partir d'un seul sac de pavron, vous pouvez vous permettre de payer jusqu'à 5 sacs de 1000. Ça veut dire à son prix plafond, je veux dire au-delà de 20 000. Donc quand on va dans ces conditions, nous pensons, c'est la mentalité qu'il faut travailler. La grande chance que nous avons, c'est ce fleuve et les possibilités et l'encadrement que nous avons. Monsieur le directeur, tout à l'heure, vous avez fait cas d'habitude alimentaire. Nous savons que dans certaines régions du Tilabéry, notamment au niveau du Karma, Losa, Koutoukale, les gens cultive du riz au bord du fleuve Niger et nous savons que beaucoup de digues ont cédé, euh, beaucoup de périmètres ont été inondés. Quelles sont les dispositions que vous êtes en train de prendre pour faire face à, ces éventuels euh, désagréments En réalité, euh, ça, je ne me sens pas suffisamment concerné par cette question. C'est mon collègue de général qui s'en occupe. Mais tout ce que je sais, on a fait l'inventaire de l'ensemble des situations des aménagements. Il y a un programme par endroit, ça a commencé. Par endroit, les mesures sont en train de se prendre pour pallier à ce problème. C'est que sûr, il y a au niveau régional, est-ce que des dispositions ont été mises à votre disposition, notamment en matériel et en train agricole, pour pouvoir démarrer très tôt la campagne des cultures irriguées Maintenant, pour euh, la petite information, nous avons déjà commencé l'opération bouture de manioc. On n'a pas attendu la fin de, cette activité pour démarrer. Parce que, comme je vous ai dit, irriguer et pluvial, pour nous, la campagne fait deux productions. Donc, pour nous, l'activité a démarré. Je vous ai bien dit, on a fait le programme, on a déjà exprimé. Et c'est que sûr, nous attendons la livraison des semences au plus tard en début d'octobre. Puisque euh, les gens ont pris l'ensemble de dispositions et on attend ça. Monsieur le directeur, quelles sont les différentes variétés de cultures euh, qui sont concernées par votre euh, institution au niveau de la région de Tilabéry Bon, vous savez, en réalité, euh, naturellement, chaque région a des potentialités que Dieu fait, soit liées à la qualité du terrain, soit liées à des facilités d'eau qu'ils ont, soit liées à l'habitude alimentaire, ou soit liées, en tout cas, aux besoins de commerce et autres. Quand vous prenez la région de Tilabéry, dans chaque département, nous avons un peu certaines cultures qui sont des cultures prioritaires. Et c'est pourquoi, maintenant, nous sommes en train de prendre des dispositions. C'est vrai, notre rôle, c'est dans le cadre de la vulgarisation et d'appui conseil, amener les gens à accepter certains types de cultures parce que nous pensons leur terrain le permet, nous pensons eux-mêmes qu'ils ont besoin de ça, nous pensons dans le cadre d'évolution de l'amélioration d'habitudes alimentaires, il y a certaines pratiques qu'il faut développer. C'est un peu dans ce sens quand vous prenez un peu la zone du fleuve. Je vais dire, vous prenez Ayarou, euh, Tilaberi, et euh, en dehors de la production ordinaire du riz qu'ils font, nous avons un terrain qui nous fait sérieusement et d'art de très belle manière le manioc. Nous avons tenté l'année dernière, en 2015, avec l'opération bouture de manioc, nous avons eu des résultats extraordinaires dans ces de localités. Et avec euh, ça, nous sommes en train d'introduire un programme, voir comment maintenant passer à la phase de la transformation dans ces zones, parce que nous avons constaté qu'ils ont beaucoup de potentiel autour de ça. Ils maîtrisent la pratique, c'est vrai, nous avons accompagné, mais nous avons trouvé une population qui déjà a une certaine maîtrise de la chose et on n'a fait que renforcer les choses. Donc aussi, quand vous prenez dans la zone de Kolo et Saï, là-bas aussi, quand vous prenez, ils font beaucoup de maraîchage, notamment tomates et autres, notamment dans la zone de Yuri et autres. En tout cas, c'est qui est sûr, chaque zone, elle là, c'est pratique. On essaye d'aménager cette maîtrise autochtone et petit à petit, on essaie d'introduire d'autres variétés et d'autres cultures que nous pensons peuvent compléter et ça nous permet de rattraper sur d'autres terrains. Peut-être une dernière question. Pour faire face à l'arrêt précoce des pluviométries, est-ce que votre euh, entité a déjà envisagé ou bien euh, a déjà pris l'initiative d'utiliser les semences améliorées Oui, les semences améliorées font partie des objectifs dans le cadre de l'initiative 3 Il était convenu, en tout cas un des programmes, c'était prévu d'emblaver au moins 25% de superficie emblavée avec des semences améliorées pour booster la production à 35%. Nous sommes là-dessus et c'est dans ce sens, si vous avez remarqué, l'ensemble des fermes semencières sous tutelle du ministère de l'Agriculture, en tout cas, ont eu des instructions fermes pour améliorer la production de semences afin aussi de contribuer à la production faite pas des producteurs privés. Parce que ça, peut-être, il faut aussi le savoir. Nous avons beaucoup de producteurs qui font des semences. Nous avons aussi des fermes semencières qui les accompagnent. Sur ce plan, nous pensons, c'est une conviction il faut des bonnes semences pour une bonne production. Donc les bonnes semences, c'est des semences améliorées. Sans oublier, la petite histoire, c'est quand vous prenez le cas de Torodi, eux tous ce qu'on amène comme semences améliorées, ils sont très hésitants parce que, contrairement à ce qu'on pense, ils croient beaucoup plus à leurs semences locales qu'à ce que nous leur proposons. Nous les comprenons. Maintenant, dans ce sens, on est en train de réfléchir, voir où se trouve la différence, pourquoi ces choix. Si nous pensons qu'effectivement, après vérification, ce qu'ils ont, c'est bon, mais pourquoi remplacer ceux qui donnent On ne change pas une équipe qui gagne. Zakaria Ousedou, on vous remercie. Voilà, vous venez de suivre Elaj Zakaria Oseidou, directeur régional de l'agriculture de Tilabéry. Il dit que la campagne peut être bonne si les tendances actuelles de la pluviométrie se maintiennent jusqu'en fin septembre. Le 15 septembre prochain, les élèves du lycée doivent normalement reprendre le chemin de l'école pour la rentrée 2016-2017 sur l'ensemble du pays. Et le secrétaire général du syndicat national des enseignants du secondaire affirme que des conflits pourraient paralyser cette rentrée, car, dit-il, un certain nombre de préoccupations des enseignants n'ont pas été prises en compte par le gouvernement. Cheb Dambaji euh, est au micro, explique tout cela au micro de notre reporter Assoumana China. Cette rentrée-là, elle est fixée une année d'avance faut que les gens comprennent que ce n'est pas au dernier moment qu'on fixe la rentrée. Donc c'est dire que l'administration a tout le temps de préparer la rentrée. Elle a neuf mois, voire même euh, dix mois pour préparer la rentrée. Préparer la rentrée en termes de d'affecter les enseignants, mettre en place le matériel et puis aussi faire la formation nécessaire pour les enseignants et nouvellement recrutés. Donc ça, c'est du côté de l'administration. Mais nous, de notre côté, nous ne préparons pas la rentrée. Nous sommes des agents de l'État. Donc euh, si l'administration décide que c'est tel jour, nous reprenons tel jour, à moins qu'il n'y ait des situations de conflit. Donc les situations de conflit, vous connaissez bien que les syndicats d'enseignants ont un certain nombre de préoccupations qui ne sont pas toujours prises en compte par l'administration quand euh, elle décide de la rentrée. Alors si les syndicats d'enseignants ne sont pas eh, d'accord, ne sont pas satisfaits de cette prise en charge, il est bien évident qu'on risque d'assister à quelques quoi au niveau de cette rentrée. Donc pour cette rentrée aussi, ça ne sera pas exception. À partir du moment où les syndicats d'enseignants aujourd'hui sont en proie à beaucoup de difficultés. La plus grande difficulté, c'est le paiement des salaires. Donc, il se trouve qu'il y a une bonne partie des enseignants, notamment les enseignants contractuels, et c'est bon de savoir que c'est eux qui constituent l'essentiel du personnel enseignant craint à main. Donc, s'ils n'ont pas leur salaire, s'ils ont des arriérés de salaire, ils risquent, en tout cas, de se retrouver et les syndicats avec eux, d'exiger l'appurement de ces arriérés de salaire. Ça, c'est une question urgente parce que quand euh, on ne peut pas concevoir qu'un employeur ne puisse pas payer son employé et qu'il accumule deux à trois mois d'arrivée de salaire. Donc, cette question risque d'être à l'origine du conflit qui risque de paralyser eh, la rentrée scolaire. Il est bien évident, vous avez d'autres préoccupations. Le gouvernement a signé plusieurs accords avec les syndicats d'enseignants et à la date d'aujourd'hui, ces accords-là ne sont pas mis en œuvre. Par exemple, depuis 2012, on nous a promis une grille spéciale. À la date d'aujourd'hui, les discussions n'ont même pas commencé autour de cette grille spéciale. Et vous avez un certain nombre de d'arriérés de salaire qu'on ne retrouve qu'au niveau des enseignants. Les arriérés de salaire eh, pour euh, l'enseignant qui est recruté, c'est seulement dans l'enseignement qu'on retrouve ça. Vous comprenez bien que nous avons le sentiment que nous autres, nous sommes des agents de l'État, mais de seconde zone. Ou des questions comme le recrutement. Parce que vous ne pouvez pas expliquer qu'on recrute un agent de l'État et qu'il attende deux années avant qu'on finisse les formalités. Aujourd'hui, nous avons des enseignants qui ont été recrutés en 2012-2013. Donc, ça fait pratiquement quatre années. Mais ils n'ont pas encore euh, reçu les matricules. aussi longtemps qu'ils n'auront pas de matricule, ils auront un statut hybride. Ils ne sont ni contractuels ni fonctionnaires. Et ça, là aussi, c'est uniquement au niveau de l'enseignement que vous retrouvez ça. Les autres cadres de la fonction publique, vous êtes recrutés tout au plus deux, trois mois, vous avez votre matricule. Donc, c'est des questions qui nous préoccupent, en tout cas qui risquent d'être à l'origine d'une décision grave, comme on a eu à en prendre à la fin de l'année. Nous ne le souhaitons pas. Donc, on voudrait quand même que le gouvernement fasse preuve de lucidité en épongeant les arriérés de salaire et puis les engagements qu'il a pris, qu'il puisse les respecter et qu'on fasse une bonne rentrée. Non seulement qu'on fasse une bonne rentrée, mais que l'année se déroule dans la sérénité. Est-ce que vous faites euh, déjà euh, de ces revendications une exigence euh, de satisfaire ces revendications avant la rentrée Vous savez, il y a des revendications qui n'attendent pas à Par exemple, nous ne pouvons pas admettre que nous ayons des collègues qui aient deux, trois mois d'arrière de salaire et qu'on puisse rentrer comme ça sans condition. Il y a des des engagements, nous-mêmes nous le savons, et pour la mise en œuvre de ces engagements-là, ça nécessite un minimum de temps. C'est par exemple la question de la grille salariale. Mais les arriérés, là, c'est à la portée du gouvernement parce que nous avons vu quand il s'est agi de certains cadres pour ne pas les nommer des finances, le gouvernement a pris trois jours. Et en trois jours, ces agents de l'État-là ont vu tout leur arriéré payés. Mais quand il s'agit de nous, le gouvernement, on se rend compte qu'il ne veut pas satisfaire ses du moins ses engagements-là. Donc, nous ne faisons pas un prélat pour certaines questions, mais vraiment le paiement du salaire pour les enseignants contractuels, c'est vraiment un Parce que nous ne pouvons pas quand même euh, ne pas être solidaires de nos collègues qui accumulent deux, trois mois d'arriérés de salaire et qu'on leur demande d'aller enseigner alors qu'ils n'ont pas le minimum. Donc, euh, tu laisses euh, croire que cette rentrée ne serait pas effective le 15 septembre Formellement, vous avez demandé mon avis en tant que secrétaire général du SNES. En tout cas, au niveau du SNES, e nous sommes de ceux qui croyons que tant que le gouvernement n'aura pas réglé la question de salaire, la rentrée là ne risque pas d'être effective. Vous avez suivi les décisions du dernier Conseil des ministres où on a demandé à tous les ministres en charge de l'éducation de prendre toutes les dispositions pour que la rentrée se fasse. Nous sommes d'accord, mais ces dispositions-là sont connues de tous. Celles qui posent problème, ce sont les questions salariales. On ose croire que le gouvernement, et ça, ce ne sont pas nos ministres qui décident, c'est le ministre des Finances. C'est lui qui est l'ordonnateur des dépenses. Donc, si on met les moyens qu'il faut, qu'on appuie tous les arrêts, nous n'aurons pas de raison, en fait, de bloquer ou bien de décider d'aller en grève le jour de la rentrée. Et les affectations, elles sont faites? Bon, les affectations, les commissions se sont réunies. Donc, on peut considérer qu'elles sont faites. Quoique, à la date d'aujourd'hui, au niveau national, les affectations ne sont pas rendues publiques. Aussi, les nominations de chefs d'établissement ne sont pas encore euh, faites. Parce que vous avez quand même de nouveaux établissements, des créations au moins. Si on crée un établissement, pour que la rentrée puisse être effective, il faut qu'il y ait nécessairement un proviseur euh, ou un directeur de CEG ou un censeur ou des surveillants. Donc à la date d'aujourd'hui, nous relevons que ces nominations-là ne sont pas encore euh, faites. C'est-à-dire que une fois de plus, quelque chose qu'on a eu le temps de préparer pendant dix mois, au dernier moment, on se rend compte qu'il y a encore des insuffisances. il faut que les gens sachent que les textes de l'enseignement prévoient que le directeur, son adjoint, sont en place 15 jours avant la rentrée. ça veut dire que tous nos professeurs, tous nos nos censeurs euh, sont censés être en place. Et s'il y a des créations, on doit avoir nommé ces directeurs-là pour qu'ils puissent être en place 15 jours avant pour préparer la rentrée. Mais je vous assure que euh, ce n'est pas le cas. Même au niveau de l'enseignement primaire, c'est la même disposition. Et dès les faits, on se rend compte que l'administration ne prend pas des dispositions pour que ces choses-là se fassent à temps. Hélas, ce n'est pas qu'on jette la pierre à l'administration, ça ce sont les insuffisances de notre administration qu'on retrouve ailleurs aussi, n'est pas seulement propre à l'enseignement. Donc euh, l'enseignement pas une rentrée politique Bon, moi je la qualifie pas de politique, les élèves la qualifient de politique, mais c'est une rentrée où les conditions minimales ne sont pas réunies pour qu'on puisse, dès le premier jour ou le deuxième jour, commencer les cours. Parce que vous voyez, même quand on dit qu'on rentre le 15, mais les classes de seconde, elles ne rentrent pas le 15 il faut attendre deux semaines pour qu'on puisse finir les formalités, faire les listes euh, et les répartir les élèves. Donc, euh, et même les classes de première, c'est tout au plus les classes d'examen où on peut s'attendre à en deux jours ou trois jours que le cours commence. Mais les autres classes, généralement, vraiment, elles commencent avec euh, beaucoup de retard. Et il peut se faire dans certains cas. Mais on peut ouvrir les classes mais les enseignants ne sont pas en place. Ceux qui ont été nouvellement affectés, on ne les a pas déplacés, on ne les a pas transportés, donc on risque d'assister à un flottement, surtout dans nos collèges, dans nos collèges ruraux. Parce que le plus souvent, quand on parle de la rentrée, on ne voit que la situation de Niamey, des centres urbains, mais les collèges ruraux, je vous assure que la rentrée est prévue pour octobre son effectivité, il faut attendre de le maire des cas un mois pour qu'on puisse construire les hangars, euh, déblayer euh, le terrain. Donc euh, ça, c'est une réalité structurelle au niveau de l'école publique, malheureusement. Monsieur le je vous remercie. Voilà le secrétaire général du syndicat national des enseignants du secondaire, Cheb Dambaji, qui doute d'une bonne rentrée des lycéens le 15 septembre prochain. Nous restons dans le domaine de l'enseignement, mais cette fois-ci pour faire découvrir l'université de Tilaberi, créée il y a juste une année. C'est une université à vocation essentiellement agroalimentaire. Et selon le recteur, malgré les quelques difficultés rencontrées au tout début, aujourd'hui tout s'améliore dans le bon sens de son, dans, le sens d'un bon fonctionnement. Le professeur Alpha Gado explique au micro de Mokhtar Hamadou euh, la spécificité de cette université de Tilaberi. Lorsque on regarde le paysage de l'enseignement supérieur au Niger, on se rend compte qu'il y a ce qu'on commence à appeler trois générations d'universités qui ont été créées, au Niger. Vous avez d'abord l'université Abdoumoun de Niamey qui pendant longtemps euh, était la seule université qui a été créée depuis le début des années 70, plus précisément en 1971 comme centre d'enseignement supérieur, puis plus tard ça a été transformé donc en université. Et puis vous avez en 2010 un certain nombre nombre d'universités qui ont été créées, notamment l'université de Maradi, l'université de Zender et l'université de Tawa. Et tout récemment, il y a ce qu'on appelle la troisième génération, c'est-à-dire quatre nouvelles universités ont été créées. il s'agit de l'université d'Agadez, l'université de Tilaveri, l'université du DIFA et l'université d'Osso. En créant euh, ces quatre euh, nouvelles universités, le gouvernement a voulu euh, spécialiser, a voulu spécifiquement créer des zones, des régions qui vont s'occuper d'un certain nombre de thématiques. À Dosso, il s'agit donc d'orienter des enseignements vers les questions technologiques, l'informatique, la technologie autour des questions du port sec et des chemins de fer à Difa, c'est la problématique de, écologique, l'avancée du désert qui a amené donc à orienter cette université vers les questions d'environnement et d'écologie. Et Agadez, c'est euh, la principale ressource minière du Niger se trouvant dans l'Aïr. Donc l'université est orientée vers les questions euh, minières, les ressources euh, renouvelables et non renouvelables. Et en raison des potentialités donc euh, du fleuve, de la spécificité de la région de Tilaveri, il a jugé opportun donc d'orienter, en tout cas la première faculté qui va être créée vers les questions de sécurité alimentaire. Donc c'est pourquoi ici à Tilaveri, nous avons d'abord commencé par un institut universitaire de technologie alimentaire et une faculté des sciences agronomiques. Voilà donc dans l'ensemble donc euh, du paysage d'enseignement supérieur la spécificité donc de l'université de Tilaberi qui tient compte donc euh, que c'est une zone du fleuve. Comment se porte euh, concrètement l'université de Tilaberi Bon, l'université de Tulaberi, aujourd'hui, le 1er novembre prochain, nous aurons un an parce que nous avons commencé nos cours le 1er novembre passé. Donc nous aurons un an euh, le 1er novembre prochain et nous avons commencé tout à l'heure, je le disais, avec un institut de technologie et une faculté avec 300 euh, étudiants environ euh, autour d'un certain nombre de personnels administratifs ethniques et des enseignants, des enseignants chercheurs donc à la faculté d'agronomie et des enseignants technologues à l'institut. En dépit de l'atmosphère très difficile qui caractérise donc les universités dans leur ensemble au Niger, compte tenu des difficultés financières que connaît le pays. Euh, l'université de Tulaberi euh, s'est bien comportée et nous avons pu normalement faire les examens en juin. Et actuellement, en, septembre, nous sommes en train d'organiser les deuxièmes sessions pour faire une rentrée normale, donc euh, le 1er novembre. Professeur, a ton coutume de dire que le début de toute chose est difficile Quelles sont les difficultés auxquelles vous avez été confronté Oh, les difficultés, je crois que ces difficultés, on peut dire qu'elles sont derrière nous, puisque vous connaissez Tilaveri. Si on compare aux autres régions du Niger, comme Zender, Agadez, euh, Maradi, Tawa, c'est le manque d'infrastructures. Donc les premières difficultés auxquelles nous avons été confrontés, c'est une structure d'accueil, c'est-à-dire un établissement où on pouvait héberger les étudiants. Cela n'a pas été facile, mais les uns et les autres, chacun a mis du sien. Nous avons conjugué nos efforts et les étudiants ont pu être logés au stade et euh, avec l'appui des autorités entre le CEG, le CES et l'école normale, nous avons pu donc avoir euh, des classes et tout se passe normalement en attendant que les pouvoirs publics qui ont mis à la disposition de Tilaberi en relation avec la mairie et le, gouverne le gouvernorat et le conseil régional un terrain de 500 hectares qui, en principe, avec des investissements publics, va constituer le campus donc de l'université de Tilaberi. C'est juste à la rentrée donc de la ville de Tilaberi. Nous sommes actuellement à la rentrée scolaire euh, universitaire. Est-ce que la rentrée a pu avoir lieu ici à Tilabiri Vous le savez, euh, euh, il y a un problème qui caractérise l'ensemble donc des fonctionnaires nigériens. Les universités ont eu un peu de retard dans les salaires cette année et il y a eu un mot d'ordre de grève de deux jours d'ailleurs qui va être levé, Inch'Allah, après la fête. Nous avons commencé les examens de la deuxième session mais, Inch'Allah, après la fête, les choses vont rentrer normalement dans l'ordre et les examens vont se poursuivre pour que dès le 1er octobre, la rentrée soit effective. Donc il y a eu un mot d'ordre euh, qui concerne l'ensemble des universités euh, du Niger, qui est lié donc au retard des salaires pour certaines universités. D'autres ont accusé un certain nombre de, mois de retard, mais je crois que les négociations sont en cours et tout cela rentrera dans, dans l'ordre et l'université de Tilaberi, à l'instar des autres universités. Donc, va se poursuivre d'abord ces examens de deuxième session, ensuite la rentrée, Inch'Allah, euh, dès le 1er octobre. Professeur, quelles sont les différentes filières de formation ici à l'université de Tilaberi tout à l'heure, j'ai parlé d'un institut universitaire de technologie et d'une faculté des sciences euh, agronomiques et de l'environnement. À l'institut, nous avons une formation courte de deux ans. Les étudiants rentrent avec le bac et au bout de deux ans, ils peuvent sortir avec un diplôme universitaire de technologie dans les domaines des technologies agroalimentaires, dans les domaines de la nutrition et la diététique et dans les domaines des métiers de l'environnement comme euh, l'écotourisme, comme les eaux de forêt, comme euh, un certain nombre donc de, de disciplines. Et donc là, à l'Institut, pour ces filières, il y a le diplôme universitaire de technologie pour deux ans et la licence pour trois ans. Donc les étudiants peuvent continuer jusqu'à trois ans pour faire une licence professionnelle et ceux qui ne peuvent pas continuer à l'Institut vont sortir au bout de deux ans. Ça, c'est en ce qui concerne l'Institut. Donc, nous avons un certain nombre de filières autour des technologies agroalimentaires, de la nutrition, la diététique, et les métiers de l'environnement. Ça, c'est l'Institut. Maintenant, de l'autre côté, nous avons la faculté. La faculté a ouvert avec deux types d'inscriptions. Une inscription directe avec une licence pour faire un master en sciences agronomiques et une inscription à partir de bac pour faire une licence en sciences agronomiques. Donc à faculté, nous avons la licence en sciences agronomiques et deux masters, un master en sciences agronomiques et un master en prévention et gestion des catastrophes, pour lequel les étudiants qui vont se spécialiser, certains vont faire la socio-anthropologie de la nutrition, certains vont faire la prévention et la gestion des conflits. Voilà donc les deux masters à la faculté, master en sciences agronomiques et master en prévention et gestion des catastrophes. Et quelles sont les filières Puisqu'il y a une licence et deux masters. C'est comme à l'institut, ici vous avez, nous avons toutes les filières liées à la sécurité alimentaire, à l'environnement, au changement climatique. Ainsi, vous avez l'adaptation au changement climatique. Donc, dans ce master, les gens peuvent se spécialiser en adaptation au changement climatique, en évaluation d'impact alimentaire. La nutrition aussi, on la retrouve à la faculté d'agronomie. Il y a aussi euh, une filière qui sort la production agro-pastorale et la maîtrise de l'eau. Donc, vous voyez, toutes les questions liées donc à l'agriculture, liées à la sécurité alimentaire, se retrouvent donc au niveau de la faculté. D'ailleurs, l'université s'est euh, positionnée pour être un instrument de complémentarité avec le barrage de Kandaji qui se construit dans la région. Parce que le barrage de Kandaji aura besoin des spécialistes en impact environnemental, des spécialistes en changement climatique, des spécialistes euh, en nutrition humaine et euh, animale, et des spécialistes en production agro-pastorale et maîtrise de l'eau. Voilà les principales filières jusqu'ici qui peuvent être considérées comme des spécialités lorsque les étudiants qui sont inscrits dans des deux masters, il n'y a que deux masters, vont se spécialiser donc dans, ces domaines. Voilà très brièvement ce qu'on peut dire en ce qui concerne les niveaux d'inscription et en ce qui concerne les différentes spécialisations qui se trouvent au niveau de l'université de Aviv. Professeur, peut-être une dernière question. Vous avez en charge de conduire l'initiative 3 jeunes. À quand les Nigériens vont nourrir les Nigériens, professeur Bon, là, je ne peux plus parler euh, au nom de l'initiative 3 jeunes parce que cela fait au moins deux ans que je ne suis plus à l'initiative 3 jeunes. Je ne suis plus conseiller à la présidence au titre donc euh, de la cellule agriculture et élevage. Même si j'ai un mot à dire, c'est à titre personnel. Je crois que c'est une initiative, c'est un un grand projet qui euh, embrasse toutes les questions dans le domaine de la sécurité alimentaire, euh, qui a travaillé depuis euh, trois ou quatre ans, qui a eu un certain nombre de résultats et je crois que les résultats sont très peu connus. Je crois qu'il faut attendre le bilan pour avoir une idée exacte de l'impact réel de l'initiative 3 Professeur, on vous remercie. Merci. Voilà, le professeur Bourem Alpha Gado, recteur de l'Université de Tilabéry. L'université de Tilaberi a juste une année et a une vocation essentiellement agroalimentaire. Un peu de sport avec les compétitions du 15e Jeu paralympique qui ont débuté hier. Alors, euh, le Nigeria est vraiment représenté à travers deux représentants il s'agit de Ibrahim Dayabou et Balkissa Mamadou. Taran Foudé Ahmed a joint hier l'entraîneur national de handisport Niger pour lui demander comment va se faire le passage de ces deux athlètes dans leurs disciplines respectives. L'entraîneur Aboubakar Moussa explique. Pour le moment, euh, il serait difficile pour nous euh, de situer le cadre exact des différents euh, concurrents que nous avons en face, mais toujours nous nous sommes préparés en conséquence, parce que quel que soit l'adversaire, le travail que nous avons fourni, le c'est ça que nous voulons, le soir, euh, reproduire les résultats sur le terrain. Donc, euh, il importe peu pour nous, que ça soit, parce que là, il y a toute une nationalité, il faut pas l'oublier. Mais euh, la chance que nous avons, c'est par classe. Donc, euh, c'est par les différentes classes que les ça vont concourir. Et nous espérons que dans les classes, ce que nous avons vu lors des classifications au niveau euh, du centre de classification, quelques adversités, nous avons vu quand même euh, un peu être sérieux, s'élever par rapport à eux, bien qu'ils ont eu des préparations plus que nous. Vous avez l'idée des jours où nos athlètes vont rentrer en compétition la date euh, Effectivement, euh, il y a eu une réunion technique. Lors de cette réunion technique, euh, le, programme suivant est sorti. Donc, pour le, on Ibrahim Bayabou, il va passer le 10, donc le 10 septembre pour la course de 100 mètres à partir de 11 heures pour les éliminateurs, parce qu'à leur niveau, dans leur classification, il y aura deux demi-finales. Les quatre euh, premiers vont se qualifier pour la finale qui aura lieu de 11. Euh, pour son deuxième passage, ça sera le 14, où il fera le saut 9 h à partir de 18 h vers euh, du en de Et le 15, nous aurons notre athlète Batista, qui va essayer le sport et concourir au lancer de 10. Hmm. Voilà le programme. Euh, le coach, vous avez dit Ibrahim, il passera les 10 à partir de 11h. 11h, c'est l'heure de Niamey ou bien c'est l'heure de. Heure, de Rio, de Rio, de Rio. Maintenant, vous allez jusqu'à 4h pour avoir euh, de Niamey. Voilà l'entraîneur euh, Aboubakar Moussa, joint avant-hier euh, par notre reporter Tanan Foudé Ahmed. Il explique là le passage des deux représentants du Niger aux JO paralympiques de Rio de Janeiro 2016. Sur ce, prend fin ce forum. On se retrouve euh, lundi à la même heure et aux mêmes fréquences. Samedi et dimanche, euh, le programme du studio Kalangou débute à 18h pour le journal en français. Voilà, merci euh, de nous avoir suivis. Bonne soirée et bon week-end.